10 millions de Français CFA la nuit ci table bi 10 millions de Français CFA yo xam kenn Euh, vous êtes certainement en train de vous demander naka lañu def gagner naka jouer alors c'est très simple xam ngeen euh, cash chrono c'est 24 heures sur 24 7 jours sur 7 vous ngeen jouer à n'importe quelle heure de la journée pour gagner ni 10 millions de francs CFA parce que 480 tirages ngeen par jour soit 480 chances de devenir multimillionnaire alors vous ngeen également euh, sur le site internet igfm SN am ngeen possibilité suivre tirage en direct am résultat en direct bu fekkee yor ngeen sen téléphone portable sen smartphone wala ngeen yor sen tablette wala ngeen yor sen ordinateur l'essentiel mooy am ngeen am seen connexion internet alors dans quelques secondes exactement dinañ assister suñu premier tirage de ce plateau mais bala lolo damay wax ak pour ñi nga xamné ne nañ cash chrono ñi nga xamante bu 19h moins 5 jotee dañuy jël sen téléphone portable tok di ma xaar euh, ma dal di len euh, fàttali nak naka ba bok ci jeu bi dina ci ci kanam parce que dans quelques secondes exactement war nañ am premier tirage mais yeen ñu ko voici le résultat du premier tirage de ce plateau le 35 le 16 le 24 le 12 le 30, le 21, le 20 et enfin le numéro 2 alors nous avons xoolaat suñu premier résultat euh, de ce tirage ce premier tirage Nous avons ñu numéros yu Nous yi nga tirage 379 le 35 euh, le 16 le 24 le numéro 12 le 30 le 21 le numéro 20 et enfin le numéro 2 qui a certainement été votre numéro fétiche alors pour yéen nous nga un, da salon il def ba bokk ci cash chrono y a rien de plus simple xool leen vidéo pour bokk ci jeu bi di chrono da ngay jël téléphone tànn 8 numéros compris entre 1 et 36 nga tapé 8 numéros yooyu noonu ci sa téléphone portable séparé leen ak dièse door a yónnee par message au 24 500. alors boo ko defee di nga am wërsëgu gagné ba 10 millions ci suñuy koppar di leen fàttali ni ñaari simili yu nekk am nañu tirage euh, gis ngeen ko euh, noonu nag ngeen ni def ba bokk ci jeu bi di cash chrono ndax ngeen mën a yóbbaale la jack remporte le gros lot. Alors, euh, envoyez rapidement votre grille au 24 500, 8 numéros très simples, choisis entre 1 et 36, séparés par dièse au 24 500. amul lenn lu gën a yomb loolu ci kanam touti dina ci ñëwaat ak exemple bi nga xamantene sama téléphone portable la yor alors bu faites mën nañ ci dem légui légui sax ma won len ko euh, par exemple ci suñu téléphone portable bu ndaw bi len di won toujours en guise d'exemple dañu jël 1 texte ci dièse jël 7 tek ci dièse jël 9 tek

accéder Youssou Ndour bi nga xamné moy dëkk alors jouez len à cash chrono am chance beaucoup ci tirage au sort bob ma wola en direct may la CD dans quelques secondes exactement nous allons assister au deuxième tirage de ce plateau vous avez encore le temps d'envoyer vos grilles au 24 500 regardons le résultat le 34 le 28

alors nous avons 8 numéros, huit numéros yu baax yi nga xam ne tirage numéro 380 mu le 34 le 28 le 8 le 17 le 5 le 14 le 36 et enfin le numéro 13 alors dañuy euh, dem xool suñu vidéo bi nga xamante ne euh, Sobel moom la recevoir Mohamed Camara suñu gagnant 1 million ñu xool vidéo bi ñëwaat Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous sur la télévision Futur Média. C'est encore votre jeu Cash Chrono, mais cette fois-ci, nous sommes là pour accueillir Monsieur Mohamed Kamra, notre gagnant des 1 million de francs CFA. Je vais à présent lui passer le micro, qu'il nous dise comment il a fait, bien sûr, pour gagner ce million et ses impressions. À vous, Monsieur Kamra. Bonsoir tout le monde, je vous salue. Je suis très content pour aujourd'hui je l'ai gagné, je crois que c'est avec les chances. Je l'ai joué même pas dix fois avant que j'ai gagné ça. Et je suis très contente pour aujourd'hui. En tout cas, Monsieur Camara, à ce que je vois, est très très très content. Maintenant, je vais juste passer la parole à Monsieur Fale Ndiaye, chef service communication de la LENAD, lui remettre tout simplement son chèque. voilà, vous avez vu la preuve par l'image. Il a reçu son chèque en direct maintenant. Monsieur et vos impressions, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Sobel. Permettez-nous d'abord de féliciter M. Mohamed Camara après son gain, de remercier aussi de la confiance qu'il a placée en nous mais aussi euh, lui faire savoir qu'au nom du directeur général et de l'ensemble du personnel, nous le félicitons et nous lui souhaitons en faire bon usage. Merci beaucoup, Monsieur Falengay. Voilà, vous l'avez vu par vous-même qu'il y en a des gens qui sont en train de jouer et de gagner, comme Monsieur Mohamed Kamara. Alors, vous qui êtes en train de nous regarder, si vous voulez gagner 1 million de francs CFA ou pourquoi pas 10 millions de francs CFA, envoyez-nous le plus rapidement vos SMS au 24 500.

chers téléspectateurs, les 8 bons numéros qu'il fallait jouer pour remporter le jackpot 10 millions de francs CFA, c'était au tirage 381. On regarde ensemble le 20, le numéro 11, le 26, le 3, le numéro 21, le 7, le 35 et enfin le numéro 18. J'espère que vous avez été très très nombreux à gagner à ce tirage. Félicitations, allons regarder notre table des gains pour voir combien vous avez gagné. Avec juste une mise de 250 francs CFA, vous envoyez votre grille de 8 numéros, vous avez trouvé 3 bons numéros, vous gagnez une partie gratuite automatique. Quatre bons numéros, vous gagnez 500 francs CFA. Cinq bons numéros, vous gagnez 2500 francs CFA. À partir de six bons numéros, vous gagnez 50 000 francs CFA. 50 000 francs CFA. Et maintenant, si vous trouvez les sept bons numéros, vous êtes millionnaire, mais un million de francs CFA avec seulement sept bons numéros. Si vous trouvez les huit numéros qui viennent de passer tout à l'heure, vous êtes multimillionnaire, vous remportez le jackpot 10 millions de francs CFA. Alors, vous avez gagné certainement 50 000 francs de francs CFA tout de suite, tout de suite. Vous voulez savoir comment faire pour récupérer vos gains Regardez. Pour récupérer vos gains, rendez-vous dans un point l'ONAS le plus proche de chez vous. Menu du téléphone portable avec lequel vous avez joué, plus une pièce d'identité qui prouve que vous avez plus de 18 ans. Une fois sur place, un agent de la LONA se fera le plaisir de vous payer vos gars vos billets, euh, votre argent. Alors, vous avez vu, c'est aussi simple que ça de récupérer vos gains. Alors, ce li nga xamantene que euh, ñu a euh, ngir 10 millions de francs CFA bi. vous ci jeu bi lenn lenn lenn rek 10 millions de francs CFA yi nga 8 numéros yu yi 5 ngeen

le 12, le 3 et enfin le numéro 7. On va faire ensemble le récapitulatif des 8 numéros sortis gagnants de ce tirage. Tirage 382, c'était le 33, le numéro 8, le 25, le numéro 10, le 31, le numéro 12, le numéro 3 et enfin le numéro 7 qui a certainement été votre numéro alors euh, léegi nag sama régie ak man ñu ngi nekk di def un tirage au sort pour xool suñu joueurs yi nga xamante ne euh, suñu suñu suñu joueurs yi nga ñu ngi à cache chrono bëgg a 10 euh, millions de francs CFA ñoom la ñu war a mën a en direct bu faites ces numéro génn na ci tirage au sort bi pour ñu may leen CD Youssou Ndour bi alors bu faites am nañ kenn au bout du fil régie ngeen passe ma allô allo oui Kya. maam Diarra. namu naa la. mais maa la raw. ah li nga a neex na ma. neex ma simi jox la. simi ma dina léegi dama koy booleeg CD Youssou Ndour bi. ah, ah yow nag jox ma ma lu ma doon wut mais maam Diarra. Ah, maam ah. Diarra dégg naa yow kuy joué cash chrono nga. léegi. mais maam Diarra est-ce que xam nga 10 millions de francs CFA bi yéen a ko moom. 10 millions de francs CFA bi ah. yéen ko moom. ah ma ne ku ma ko jox ma jël. Ah, waaw baax na mais oui ma mam jaara fa nga ko yaakaarulee fa lay ñëwee. yow ah, xoolal yow wuy ma bul bàyyi yow saa yu xëy rek yónneel benn gri nga xool. ah waxoon jeex na comme. lii saa yu xëy dinaa dugal. lii man maa la ko mais mam jaara séddee Youssou Ndour bi xam naa ban son moo la ci gën a neex sëñ Fallou bi ah. billaay waxtu ko billaay billaay wax dëgg nag ma xëyee dama dama koy bi laa ko doon kii naa ko téléchargé sax kii du internet ndeysaan yow rek léegi soxla soxlatoo internet pour déglu ko léegi soxlatoo ah. internet pour déglu ko léegi dama la koy may ah, dinaa la sama régie dina la wax léegi fan ngay ñëw récupérer sa CD Youssou Ndour ah, dootoo soxla internet pour déglu ko ngay bëggee sëñ Fallou bi nag di ma ñaanal dégg Merci à toi. Bon week-end. Bon week à vous aussi. Ciao, Alors, euh, gis ngeen ko Soxna Diarra da fay jouer à cache Chrono gagner euh, CD Youssou Ndour bi tirage bi ba ñëwaat ci kanam. Le 6. Le 18. Le 35. Le 14.

on nak xolaat huit numéro yi nga xamné mo génn gagnant ci tirage 383 mu euh, le 6 le numéro 18 le 35 le 14 le numéro 8 le 34 le 10 et enfin le numéro 36 toujours je dis le dernier numéro d'habitude c'est votre numéro fétiche alors euh, nañu dem xol suñu table des gains pour les téléspectateurs yi ñaata lañuy gagner gagné dañu jouer à cash chrono am ci ay numéro yu baax di len fatali nak euh, message bobu noonu juróom fuk dong la lay diké avec trois bons numéros bu dee numéro numéros yu bax nga ci am euh, am nga une partie gratuite automatique manam sa ñet huit numéros yoyu day bokk ci tirage bële di ñëw te doo fay dara bu féké euh, quatre bons numéros nga am gagné nga téeméeri deureum cinq bons numéros euh, juróomi téeméer six bons numéros manam juróom ben numéro yu bax boko trouvé gagné nga fukki junni juróom ñaari numéro yu bax nga daal di gagné un million de francs CFA million bu féké nak juróom ñet numéros yu jall légui légui mom nga am ci sa téléphone portable dawal gaaw jëli sa 10 millions de francs CFA parce que mom nga gagné muy jackpot bi alors di len fatali nak yéen yi nga da ngeen joué ah, dal di trouver 8 numéros yi nga xamantene ñoo mais 8 numéros yi ba ngeen di def sen grille da ngeen ko tambalé ak 36 par exemple numéro bi mujj tek ci 14 tek ci 18 tek ci 34 Manam ngeen am ko ci désordre ba amul solo manam euh, l'essentiel moy nga am 8 numéros yi ya xam ci ordre bi la ya xam ci désordre bi la 8 numéros yoy boko amé da ngay fayé ko sa xaalis alors pour yéen ñi nga xamantene ne euh, yéen ngi euh, jouer à cash chrono daal di léegi toog seen digg ëtt mais ngeen tayal yonne ay numéro xalat nañ pour yéen da ngeen di jël sen téléphone portable ngeen taper flash flash nak bu ngeen koy taper da ngeen di def F FLASH vous buñu mëne am suñu téléphone d'exemple bi FLASH yone ko au 24 500 suñu ordinateur dalay tànnal 8 numéro au hasard yónnee ko ci téléphone daal di la numéro de tirage ngay bokk maanaam bu dee numéro parce que da sonn ñun mën nañ la tànnal huit numéro yónnee ko ci téléphone portable da nga yónnee flash FLASH au 24 500 nga jot léegi léegi sa numéro tirage dans quelques secondes on assiste au tirage 384 on regarde le résultat le 13

regarde ensemble les 8 numéros qui sont sortis gagnants de ce tirage 384. C'était le 13, le 21, le numéro 24, le 5, le numéro 7, le 26, le numéro 15 et enfin le numéro 33. Alors, euh, je vous rappelle, vous qui êtes en train de nous regarder, vous avez joué à Cash Chrono. Vous avez la chance de faire partie de ce tirage au sort que nous faisons tous les week-ends pour gagner un CD de Youssou C'est un CD actuellement qui est en manque. Il n'y a que moi qui les offre, les CD de Youssou Alors si vous les voulez, euh, jouez à Cash Chrono. Et moi, je vous appelle en direct après un tirage au sort. Alors la régie, si on a quelqu'un au bout du fil, vous ligne alors Mata. mata fan nga dëkkee maa ngi dëkkee taw feet ñàgg yaa ngi dëkkee fan taw feet ñàgg ñàgg taw ah bala ngay yegg Lac Rose mais foofu instant yi dafa tàng bon pas tellement pas tellement euh. <laughs> alors euh, Makhtar euh, dama la bëgg may CD Youssou Ndour bi xam naa ne jotagoo ci amagoo ci non non ci non alors léegi man may naa la CD Youssou Ndour bi est-ce que xam nga naka nga def ba ñu woo la téléphone waaw à Cache chrono voilà alors CD bi nag dama koy may pour ñi nga à Cache chrono vais lay woo may CD en direct alors Matar vous couper, léegi légui régie sa adresse wax la naka ngay def ba CD d'accord merci. merci beaucoup Matar alors euh, di nuyu nag waa Lac Rose yëpp gis ngeen cash chrono c'est partout au Sénégal pour foo Dougu, ci Sénégal rek euh, nit ñaa joué à cash chrono gis ngeen ni suñu gagnant bi ñu leen tegal sànq bu ngeen seetee ba c'est déggul sax olof lan moko waral mooy manam, jeu bi pour ñëpp la ñi nga xamante ay étranger lañ sax wala ñi nga xamante ne euh, ci sous région bi lañ dëkk même ñi nekkul sénégalais sax fii Sénégal bu ñu fi de dañuy joué à cash chrono na xam nañ ne gana gën a gaaw ci faj soxla mën nañ dem xool léegi suñu tirage 385

regarde ensemble, on fait ensemble le récapitulatif des 8 bons numéros qui sont sortis tout de suite au tirage 385. C'était le 26, le numéro 21, le numéro 20, le 33, le 28, le numéro 31, le 2 et enfin le numéro 12. Vous avez été très très nombreux à gagner certainement à ce tirage. Je vous dis félicitations. Alors vous avez joué tout de suite huit numéros qui vous tiennent à cœur. Huit numéros vraiment des numéros de chance numéro de date d'anniversaire. C'est en tout cas, c'est des huit numéros que vous voulez à chaque fois jouer. Alors, vous n'avez pas besoin de les taper sur votre téléphone portable. Vous nous envoyez juste un message, vous tapez rejoue. Alors, vous envoyez rejoue, R-E-J-O-U-E, e la R-E-J-O-U-E. E. Vous l'envoyez par message au 24 500. Vos huit numéros que vous avez saisis tout à l'heure et qui ont fait partie du tirage précédent pour partie du prochain tirage parce que vous recevrez toujours ce message vous disant effectivement vos huit numéros ont été validés et feront partie du prochain tirage. Alors vous qui êtes en train de nous regarder, le jeu continue en direct 24 enfin le jeu continue là pendant que je suis là mais c'est ça continue sur le site internet euh, igfm.sn ça continue 24 heures sur 24 vous pouvez jouer à n'importe quelle heure de la journée euh, Manek fi ñak fi jouer à cache chrono pour gagner 10 millions de francs CFA nak ku ne plus ngay jouer plus ngay ça say chance de gagner 10 millions bi 10 millions bi nak xaru fi kenn ku dul man 10 millions bi dama ci amul pexé mais gënu leen mako koo bëgg ndax saa yu ma wanee ginnaaw damay mako mom <laughs> chaque jour ma def ci benn commentaire pour expliquer leen ni que 10 millions yi yéen ko fi téye jouer leen à cash chrono yok leen sen chance chaque jour ñu wan leen ay nit yu ñëw fii ci plateau bi ño xam ne dañoo gagné 1 million de francs CFA ah, bo ba léegi nak gagnant yaa ngi yok gisan nañ ko bañuy tambalé émission bi on est à 1200 et quelques gagnants donc 10 millions de francs CFA bi war ngeen ko mëna a te xam ngeen ni ku ko ci gagner du man ma lay wax lo ci def 10 millions de francs CFA failli. ñu <laughs> koy feeraay hein? mën pas le résultat tirage 386 le 22 le 10 le 7 le 5 le 16 le numéro 11 le 8 et enfin le numéro 2. On va regarder ensemble les 8 bons numéros qui sont sortis gagnant tout de suite au tirage 386. Prenez votre téléphone portable, on regarde ensemble le 22, le 10, le 7, le numéro 5, le 16, le 11, le 8 et enfin le numéro 2 qui a certainement été votre numéro fétiche. Alors on va regarder la table des gains pour voir combien vous avez gagné. Je vous rappelle que la mise c'est que 250 francs CFA. Avec 3 bons numéros vous avez une partie gratuite automatique. 4 bons numéros vous gagnez 500 francs CFA. 5 bons numéros vous gagnez 2500 francs CFA. 6 bons numéros vous êtes à 50 000 francs CFA. Et maintenant, si vous trouvez les 7 bons numéros, vous êtes millionnaire, millionnaire avec seulement 7 bons numéros. Si vous trouvez les 8 numéros qui sont passés tout à l'heure, j'arrête pas de le répéter, c'est les 8 numéros qui sont passés tout à l'heure. Regardez, si vous les avez trouvés sur votre téléphone portable, vous êtes multimillionnaire car vous gagnez 10 millions de francs CFA. 10 millions de francs CFA, c'est le montant que vous pouvez remporter parce que toutes les deux minutes, nous avons un tirage. Alors, vous voulez savoir comment faire pour jouer à Cash Chrono Comment faire pour remporter ces 10 millions de francs CFA Regardez. Ah, d'accord. Alors la régie est en train de me dire, on est arrivé au terme de cette émission on ne peut pas regarder encore le magnéto mais je vais koy expliquer en live and direct pour beaucoup jeu bi chrono da téléphone portable dans di 8 huit numéros. huit numéro yooyu boo koy da 1 36 numéro bu ci un symbole jazz, ko par message au 24 500 Beaucoup de un message de retour ba et ñu wax la numéro de tirage ngay avez continuer def au 24 parce que le jeu continue 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous pouvez également aller sur le site internet IGFM point sn d'Aldi di euh, xool en direct alors euh, man euh, de vous quitter dans quelques secondes exactement di vous rendez-vous certainement le mois prochain mais demain Sobel sera là pour un quart de jeu Sobel vous accompagnera pendant 15 minutes millionnaire tamit alors man à tous les Sénégalais et puis bonne soirée à toutes et à tous au revoir